forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou du studio Kalango, c'est tout de suite euh, votre rendez-vous quotidien tous les soirs du lundi au vendredi. Nous débattons de sujets qui intéressent les Nigériens et c'est pendant 45 minutes. Il est 18h passé de 16 minutes. Bienvenue, restez à l'écoute. La sécurité routière, comment se porte-t-elle au Niger euh, Comment surviennent les accidents Le code de la route est-il bien connu par les conducteurs Comment réduire le taux accidents de circulation Ce sont des questions que vous vous posez tous les jours. Nous en débattons en long et en large ce soir. Et pour cela, nous recevons lui Omar, président de l'ONG Fondé Mabori. Bonsoir à tous. Environ 98% des Nigériens fréquentent les auto-écoles. Pourtant, la plupart n'appliquent pas ce qu'ils apprennent, selon Goué Aku Hugmoussa, directeur euh, auto-école Calais Amirou et membre du bureau des fondateurs d'auto-école. en Likota. En premier lieu, les accidents qui se passent aujourd'hui à Niamey ou soit euh, au Niger en général, c'est dû à ce que les gens ne tiennent pas compte qu'on les apprend à l'auto-école. Ils se croient tout permis après l'obtention du permis. Les, gens, les citoyens qui viennent apprendre ne tiennent pas compte du, respect strict de ce qu'ils ils apprennent. Est-ce que cela veut dire que vous parlez du code Oui, je parle du code. Pourquoi Parce qu'il n'y a aucune loi aujourd'hui qui frappe. Concrètement, qu'est-ce qui est appris La première des choses, quand vous venez à l'auto-école, une fois le contrat fini, on vous apprend le code. On vous approfondit là-dedans. Parce qu'il y a le code et il y a les questions spécifiques. Sur, d'abord le volant, parce qu'il faut être d'abord pour un bon contrôle il faut d'abord être maître de son volant, prévoir, savoir quoi faire et quoi ne pas faire. On vous apprend d'abord les panneaux, le contenu du panneau. Ce panneau dit voilà, voilà, voilà. Par exemple, nous avons le panneau rond rouge avec un rectangle blanc dedans. Il signifie sens interdit. Vous pouvez l'emprunter venir, mais pas rentrer là-dedans. Maintenant, les gens, ils jettent un coup d'œil. S'il n'y a pas la police, ils rentrent. Secondo, il y a un panneau de stop. Maintenant, l'auto juge que ce dernier est apte pour aller à l'examen. On le présente. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, on le ramène encore. Maintenant, ça, c'est la théorie. Maintenant, on le met dans la voiture pour qu'il puisse appliquer la pratique. Parce que la pratique, c'est quoi C'est la même chose que vous faites euh, au code que vous appliquez là-bas. Pour voir est-ce l'élève réellement. Par exemple, on dit pour dépasser un véhicule ou un obstacle quelconque qui est sur la voie, on doit mettre un écart de mètre. Le dépassement, d'autres le font même sur la droite. Oh c'est pas normal. Maintenant, ce que chez nous au Niger, il n'y a pas cela. Tout cela prend combien de temps en, réalité En réalité, la formation du code à la conduite prend en principe 45 jours. Ça, c'est au minimum. Au massif, ça peut aller jusqu'à 3 mois. Vous rencontrez rencontré ou vous rencontrez dans votre profession des gens, par exemple, qui viennent, qui vous disent que j'ai déjà le permis, je ne sais pas conduire, j'aimerais apprendre à conduire. Mais tous ces cas-là, on arrive à les affronter. Il y a d'autres, ils se précipitent pour avoir le permis. J'ai toujours été contre cela. Moi, quand l'élève vient me voir, je dis, mais, chef, je veux un recyclage. Je lui pose d'abord la question, quel genre de recyclage Il non, moi j'ai déjà le permis. Le permis, tu l'as eu comment Sur quel critère tu as eu le permis Tu as déjà fait le code conduite D'autres disent oui. D'autres, ils te répondent pas, ils disent, monsieur, super, ça, ça vous regarde pas. Ce que je suis venu chercher, c'est de m'apprendre à conduire. Nous aussi, on suit leurs consignes. Il dit qu'il est venu apprendre à conduire. Donc, on accepte. Mais on insiste, si c'est le recyclage, il faut qu'on recycle d'abord au code, pour avoir encore les notions du code. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a de nombreuses personnes qui s'intéressent ou qui, fréquentent les auto-écoles euh, Il y a au moins 98% qui viennent à l'auto-école. Et la plupart sont des illettrés. Parce que maintenant, vous savez que le permis, c'est pas comme dans, dans le temps ancien, où le permis, c'est un prestige. Aujourd'hui, le permis est devenu maintenant, c'est un outil de, de, travail. Parce que à bas de ça, les gens peuvent, les gens peuvent faire commander taxi ou bien trouver un embauche quelconque. Donc, beaucoup le font. Et les femmes aussi en, en font parce qu'aujourd'hui, il y a plus de ONG qui te, qui t'embauche Sinon, franchement, l'auto-école, il y a au moins 98% qui viennent à l'auto-école. Alors comment s'expliquent tous ces nombreux accidents Les accidents que nous affrontons aujourd'hui au Niger, pour ne pas dire Niamey spécialement, c'est dû à ce qu'on ne respecte pas le code. On est pressé au Niger. Beaucoup aujourd'hui, ils savent plus que quand il n'y a pas de panneau, il n'y a pas de feu, il n'y a pas, il y a pas comment dire, la police, qu'il faut appliquer la règle de la priorité à droite. Ils viennent comme ils, veulent. Que ce soit les jeunes, les vieillards. Et puis la plupart des accidents que vous voyez, franchement, c'est les jeunes. Aujourd'hui, quand il y a un accident, il y a parents, amis, connaissances qui interviennent. Il faut qu'on bannisse tout cela. Mais moi, j'ai beau, poser la question, même euh, au ministre, en tant que syndicaliste. J'ai dit, monsieur le ministre, aujourd'hui, Dieu merci, on a plus de 15 télés au Niger. Comment on peut faire pour bannir les accidents On n'en convient pas, l'accident peut venir. Parce qu'il peut avoir des freins techniques. Au lieu de nous faire danser, de nous faire voir les femmes nues à la télé, vaut mieux que qu'ils fassent un programme. Pas avoir au Conseil des ministres qui présente le tout, président de la République, soit au euh, Premier ministre. Qu'on fasse le code au moins quelques séquences de 3, 30 secondes, c'est largement suffisant dans toutes les langues. Et pourquoi ne pas l'intégrer à l'école primaire Nous avons tenté ces trucs-là dans d'autres pays, ça marchait. Par exemple, tu vois au Burkina aujourd'hui, c'est les thèses du Niger qui marchent. Moi, ça, me que qu'aujourd'hui on nous dit qu'au Niger, il y a plus d'accidents qu'aux États-Unis. C'est parce que les autorités ont une partie de responsabilité. Même à la mairie, la mairie peut envoyer des gens à la circulation pour réglementer la circulation. Quand il y a commandé l'embouteillage, et à l'embouteillage, il n'y a même pas de, un agent pour réglementer la circulation. La sécurité, c'est pas de la bouche. Là, c'est notre mentalité. La base fondamentale des accidents, c'est notre mentalité. Ça, si vous allez le signer, vous le signez avec des traits rouges. Parce que l'autorité ne prend pas conscience à cela. C'est pas le fait de prendre un taximan qui a fait un accident, le faire verbaliser 24 euh, 000. C'est pas ça la, solution. Comment ferons-nous pour éviter la police préfère prendre les 24 000 et on te dit retourne. Et il y, a, encore quelque chose qui est marrant. Je me suis assuré, par exemple, à Lugan. L'autre est assuré à Lema. Normalement, c'est pas la police qui doit être sur le lieu d'accident. C'est les deux assureurs, quelle que soit l'heure. Là, on ne voit que la, euh, police. Maintenant, moi, j'ai approché un, euh, un assureur. Je lui ai posé, monsieur, pourquoi quand, on va, on fait les déclarations, les trucs ne sortent pas vite. Il m'a dit non, normalement, il y a chaque euh, maison d'assurance cotise et remet à la, police pour qu'en cas d'accident, qui se présente sur le lieu. Mais moi, je lui ai dit, mais des fois, quand on va, tu peux appeler, les gens de constat, ils peuvent te faire une heure de temps, deux heures de temps, ils viennent pas. Les ce sont les assureurs qui doivent être d'abord sur le terrain. C'est quand il y a des dégâts corporels. Maintenant, la police ou la gendarmerie doit prendre parce qu'il doit faire le rapport. Mais quand il s'agit seulement de deux collusions en deux véhicules, mais c'est les assureurs qui viennent. Mais la police aussi a une part de responsabilité là-dedans. Tu vas, tu vas, commander, tu fais, on t'amène à la police, tu fais la déclaration pour avoir le procès, pour aller à l'assurance. Franchement, c'est casse-tête sinon pour un judokar. Tu as tout, tout le temps à perdre. Des fois, on te dit même d'aller payer 7000. Moi, j'ai eu à le payer. Et les 7000, c'est pourquoi Bon, ça, on n'a jamais su. J'ai posé la question, ils m'ont jamais donné une réponse. Pour avoir, comment dirais-je, le procès verbal de la déclaration que vous avez faite à, la police. Vous venez d'entendre Goué Aku Moussa, directeur auto-école Kalé-Amirou et membre du bureau des fondateurs d'auto-école. Je l'annonçais tout à l'heure, Aliou Omarou, président de l'ONG Fondé Mobori. Ali Omarou, bonsoir. Bonsoir. Merci euh, d'être venu au studio Kalangou. Le plaisir pour moi. L'ONG Fondé est donc euh, une ONG qui s'intéresse beaucoup, qui est dans le domaine donc de la sécurité routière. Vous venez donc d'entendre euh, Monsieur Goé, Acu. Et qu'est-ce que vous, vous avez à dire par rapport à, donc la fréquence d'accidents à Niamey Écoutez, vous savez que chaque année, l'Organisation mondiale de la santé publie un rapport mondial sur la situation de la sécurité routière. Et malheureusement, dans l'espace CEDAO, le Niger est l'un des pays qui enregistre le taux de gravité euh, des accidents les plus élevés. Gravité parce que on prend en compte le parc automobile du pays et le nombre d'accidents qui surviennent et la gravité de ces accidents. Malheureusement, nous sommes champions euh, là-dedans, champions dans le mauvais sens, tout simplement euh, parce que les gens euh, sont intolérants. le précédent l'avait si bien dit, les gens, ils ont leur permis de conduire, mais ils ne respectent pas le, le code de la route. Et le code n'autorise pas l'indiscipline que nous vivons dans la circulation routière. Alors, Président, je vais vous arrêter juste un petit instant. Vous avez parlé tout à l'heure de taux de gravité. Est-ce que on a des chiffres On a des chiffres, c'est-à-dire que 34, euh, 34 pour 1000 accidents, ça c'est le taux le plus important euh, au niveau de, l'espace CEDEAO et c'est le Niger qui a ces taux. Ce qui est dramatique parce que vous allez au Nigeria voisin, ils ont autant de véhicules que d'individus au Niger. Mais malheureusement, la gravité des accidents n'atteint pas cela. Donc il va falloir que nous conjuguons nos efforts avec tous les acteurs concernés pour réduire significativement euh, ces chiffres. Nous allons euh, poursuivre euh, avec un autre son, c'est euh, avec le docteur Suleiman Karadji. il nous parle de la fréquence de ces accidents dans la ville de Niamey, les causes et les effets. Et c'est le coordinateur du SAMU pour une prise de conscience pour une prise à, deux et conscience, il est interrogé par notre porteur Abdoulaye Mamoudou. Nous avons une moyenne euh, d'à peu près 6 interventions par jour. Les sapeurs-pompiers font, je pense, trois fois plus chaque jour. Mais il y a des périodes, par exemple, de fêtes et autres, où l'activité est quasiment doublée. Donc euh, voilà, on peut difficilement parler d'un chiffre précis. Mais ce qui est sûr, comparativement aux sources qu'on a d'autres euh, pays, même voisins, nous sommes largement en tête des statistiques, malheureusement en ce qui concerne les cas d'accident. parlez nous des cas euh, d'accident et puis leur gravité. Bon, nous avons euh, tous les types d'accidents possibles. Vous avez tous les mécanismes possibles. Vous avez des accidents entre des automobiles et des cyclistes, entre deux cyclistes, entre des cyclistes et des motocyclistes, entre euh, par exemple des automobilistes et des piétons, entre des cyclistes et des piétons, entre même des charretiers entre euh, des charrettes à traction animale, par exemple, et des, des véhicules euh, automobiles ou motos. Donc on a tous les types possibles d'accidents. Pareil niveau gravité, on a euh, de l'écorchure simple voire même pas d'écorchure du tout, jusqu'au décès. Donc on a tous les types de gravité euh, possible et imaginable. Monsieur Karaji, parlez-nous un peu de votre prise en charge euh, des accidentés. Comment est-ce que vous le faites La prise en charge commence euh, bien avant même l'arrivée sur les lieux, puisque pour les cas où nous sommes appelés par un témoin sur place, on commence par prodiguer déjà quelques conseils de, de prise en charge. On essaie d'expliquer comment faire des gestes simples. Mais sinon, globalement, nous, quand on arrive, il y a toujours à bord de nos ambulances du personnel de santé. Classiquement, il y a un médecin, un infirmier, dans la plupart des cas, un infirmier spécialisé en anesthésie réanimation et un chauffeur ambulancier formé également au, au secourisme. Nous n'envoyons pas le médecin dans toutes euh, les situations mais euh, selon la gravité de la situation, en tout cas euh, tel qu'on euh, le perçoit à l'appel, l'équipe est plus ou moins complète et en ce moment, selon la situation également, on prend en charge intégralement la personne sur place où on commence des premiers soins qu'on est amené à terminer à l'hôpital. C'est-à-dire que, pour vous donner un exemple, si c'est un simple écorchure et qu'il n'y a pas de lésion évidente grave, en général, on fait tous les soins et on laisse les, les gens sur place, mais en les conseillant, si ça évolue, de se rendre à l'hôpital pour, pour consulter. Ou alors, dans les cas où c'est spontanément grave, on amène à l'hôpital, voire souvent directement à réanimation. Monsieur Karaji, on constate que dès qu'il y a un accident, c'est tout de suite un attroupement et quel doit être le comportement des populations avant votre arrivée Bon, ce qu'il faut tout de suite expliquer à tout le monde, c'est que c'est extrêmement dangereux de rester autour euh, d'un accidenté. D'abord pour la victime elle-même, mais aussi tous les gens qui se sont attroupés risquent à tout moment d'être fauché par euh, un autre véhicule. Ça s'appelle du suraccident. Et c'est extrêmement fréquent dans notre pays. Vous avez remarqué que ce soit les accidents ou même d'autres événements. Par exemple, il y a des coups de feu. Les gens spontanément veulent aller voir. Donc, il faut continuer à expliquer aux gens la gravité de cette attitude. Normalement, quand vous avez un accident, vous vous occupez plutôt d'apporter du secours le plus rapidement possible en alertant d'abord les secours, en protégeant la victime, en se protégeant soi-même et euh, en adoptant des attitudes qui peuvent euh, aider les services de secours après à mieux organiser leur, leur prise en charge l'attroupement, ce n'est pas une bonne chose. Ça peut compliquer la prise en charge, ça, la complique de toute façon tout le temps. Surtout que euh, c'est difficile après de faire partir les gens. On sait aussi que très souvent ces populations-là, ils sont tentés de sauver soi-disant l'accidenté. Qu'est-ce que vous les conseillez en ce moment Ce qu'on conseille à tout le monde, c'est d'abord se former. On ne peut pas aider quelqu'un si on n'est pas soi-même formé. Les gens sont invités à de plus en plus euh, suivre les émissions, venir se former parce qu'il y a des sessions de formation en secourisme. En tout cas, surtout chez nous, qu'on organise, qu'on a commencé à organiser depuis deux ans, qui concerne d'abord des corps constitués, enfin, certains, certains services, certaines sociétés, et qu'on va élargir euh, bientôt au grand public. Et donc, euh, les gens sont invités à, à s'informer. C'est ah, on peut dire que c'est gratuit dans la mesure où ce que nous on demande, même aux organismes qui nous sollicitent pour ces formations, c'est juste la prise en charge au niveau boisson, etc. pendant les pauses. Et c'est deux fois rien, je vous assure et euh, plus ou moins euh, souvent la prise en charge euh, du matériel didactique qu'on utilise, utilise. C'est pas grand chose, vous pouvez vous renseigner sur les sociétés qui ont bénéficié de ces formations et pour les acteurs euh, qu'on a identifiés comme étant nos partenaires potentiels, c'est complètement gratuit parce que nous avons un financement du ministère de la Santé publique et qui nous alloue une enveloppe euh, d'environ 10 millions chaque année pour faire euh, cette activité. Nous la depuis deux ans et on a formé à ce jour plusieurs centaines de personnes. Un appel à l'endroit des automobilistes oui, l'appel à lancer, c'est un appel à la prudence. Franchement, la plupart des accidents sont évitables. Les causes sont humaines, sont liées aux infrastructures ou aux véhicules, mais la cause humaine est surtout mise en avant parce qu'on peut jouer sur ça assez rapidement. C'est développer le comportement civique, il faut qu'on soit un peu plus civique, un peu plus euh, tolérant et un peu plus euh, patient, quoi, si vous voulez, parce que la plupart des accidents, on l'a vu, c'est soit par méconnaissance carrément du code de la route, soit euh, c'est grâce enfin, ou à cause des comportements vraiment qu'on pourrait euh, améliorer. Merci, Monsieur Karaji. Je vous en prie propos recueillis par Abdoulaye euh, Mamoudou. Euh, je retrouve donc le président de l'ONG Fonday Mbori, Ali Omar. Vous venez donc d'entendre euh, le docteur euh, Souleymane Karadji. Les causes d'accidents, c'était là qu'on était avec vous. Donc on revient sur ces causes d'accidents ici à Niamey. Écoutez, à Niamey ou au Niger, d'une manière générale, les causes sont multiples et multiples formes. l'une des premières causes, c'est l'excès de vitesse, qui est l'une des causes principales, mais aussi les conséquences liées à la gravité des accidents. Parce que plus votre vitesse est élevée, plus vous courez des risques à vous retrouver dans une situation euh, désastreuse, plus les conséquences liées à cet accident peuvent être dramatiques. Nous avons le non-respect du, du, code de la route, on l'a dit tantôt, le L'utilisation du téléphone cellulaire au volant, depuis plus de dix ans que nous avons connu nos premiers téléphones, ça se multiplie. Vous allez voir chaque euh, conducteur avec un ou deux téléphones. à ce propos, il y a même une loi qui interdit l'utilisation du téléphone euh, au volant. Affirmatif. Parce que pour nous, le téléphone est bon pour chaque usager, parce que lorsqu'il y a même un accident, vous l'utilisez pour appeler les secours. Mais son utilisation la conduite vous met en danger, mais aussi mettra en danger les autres usagers euh, de la route. Il y a le non-respect des passages cloutés, des passages piétons. Il y a la cohabitation entre les piétons et les véhicules. Or, lorsque une route est, est partagée par des véhicules et des piétons, ça devient une rue. Et dans la rue, c'est le piéton qui est prioritaire. Malheureusement, quand vous faites le tour de la ville du Niamey, rarement vous allez voir des usagers de la route respecter ces passages piétons. Et la règle, elle est très claire. Le respect des usagers vulnérables, les piétons, les cyclistes, les personnes en situation de handicap, les, les personnes âgées. Mais personne ne respecte tout cela. Pire, le grand problème que nous avons dans nos pays ou ici au Niger, c'est la collecte des bases de données. Vous savez que depuis 2001, nous sommes dans la décennie d'action 2011-2020 euh, des Nations Unies pour la sécurité routière et l'un des piliers majeur de cette euh, décennie, c'est la collecte d'une base de données fiable. Lorsqu'il y a un accident en milieu urbain, c'est la police qui doit faire le constat et la gendarmerie en campagne. Le PV est censé se retrouver au ministère des Transports pour l'élaboration du BAC, le bulletin d'analyse des accidents corporels. Mais il se trouve que, avec l'intervention de la gendarmerie par-ci, de la police par là, du SAMU de l'autre côté, des sapeurs-pompiers et souvent même des populations. Vous voyez, c'est un vrai désordre organisé qui font que nous n'avons pas des statistiques fiables. Aujourd'hui, personne ne peut vous dire au Niger le nombre d'accidents que nous enregistrons par mois ou par semaine. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de coordination. Il n'y a pas de coordination, il n'y a pas de synergie d'action. Or, il doit y avoir euh, cette euh, synergie. le nombre de tués, le nombre de blessés, de, blessés graves, personne ne peut vous les enregistrer. Pourquoi Quand vous allez au service des urgences, le tué dans un accident est considéré celui qui meurt 30 jours après l'accident. Souvent, les gens sont retenus quelques heures euh, aux urgences et puis ils sont relâchés. Ils vont en famille. D'autres meurent. Après une semaine d'hémorragie interne, ils meurent. Ces chiffres-là, on ne les comptabilise pas dans notre pays et c'est dramatique. Donc, il va falloir avec le nouveau code de la route, avec euh, les dispositions de mettre en place une agence nigérienne de la sécurité routière, veiller à ce que toute cette chaîne-là soit respectée. C'est ce qui va permettre eh, à l'autorité compétente et aux acteurs de la société civile de lutter efficacement contre la sécurité routière au Niger. Direction à présent à Dosso. Euh, chaque année, c'est des milliers d'accidents de circulation qui sont enregistrés dans la commune urbaine de Dosso qui n'a pourtant pas une importante euh, parc euh, automobile le manque de panneaux de signalisation sur certains axes de feu tricolore qui contribuent significativement au respect du code de la route ne marche plus et selon ces citoyens interrogés par Daouda Hassan, ces accidents de la circulation sont imputables au comportement des conducteurs dont la plupart prennent des stupéfiants. Reportage Daouda Hassan. Si tu veux traverser vers le rond-point du gouvernorat, tout de suite un motard va te rentrer dedans parce qu'il ne voit pas. C'est des consommateurs de stupéfiants, bien que la police fait de son mieux pour mettre de l'ordre. La plupart des conducteurs n'ont pas de permis de conduire. Ils ne respectent rien du tout. Regarde au niveau du rond-point justice. Ils roulent à tombeau ouvert et ne ralentissent même pas. S'il y a accident, c'est de leur faute. Les routes qui sont dégradées et l'imprudence des conducteurs sont la cause des accidents. La plupart des conducteurs sont pressés et quand quelqu'un leur coupe la priorité, au lieu de les laisser passer, il insiste hein, et les hein. Alors, euh, Président Aliou Omar, nous constatons aussi que la majorité des cas d'accidents concernent, les motos. Euh, notre reporter euh, Dauda Hassan en a aussi parlé. Est-ce que vous pensez, est-ce que le constat a été aussi fait par l'ONG Fondé Mbori Écoutez, parlant de motos, vous parlez des jeunes. L'OMS, lorsque elle a célébré la journée internationale de la santé en 2004 avait pris pour thème la sécurité routière parce que les accidents de la route sont en train de devenir la première cause de mortalité des jeunes de moins de 24 ans. Et dans nos pays, ici euh, au Niger et surtout en région, vous savez qu'il y a le phénomène des taxis-motos. C'est des jeunes qui conduisent, c'est des jeunes qui l'empruntent le plus souvent et c'est des motos qui ont des puissances importantes et les jeunes sont excités à utiliser la vitesse. Les kabukabu. Les kabukabu. Or, je vous ai dit tantôt que la vitesse est la première cause mais aussi la conséquence de gravité de ces accidents. D'où la nécessité de sensibiliser les gens. Vous savez, il y a un vrai désordre dans notre pays. Imaginez le port du casque qui est obligatoire pour tous les usagers à deux roues motorisées. Vous allez voir que souvent à Niamey, euh, la police euh, est à l'aise à faire euh, respecter cette loi, vous allez dans une autre région du pays, c'est un vrai désordre. C'est souvent des bagarres entre la police et les contrevenants. Donc il va falloir que nous sensibilisions davantage les populations, mais aussi qu'on laisse la police ou les forces de l'ordre d'une manière générale à faire respecter ces lois. Parce que lorsque vous avez le casque, ça vous évite tout ce qui est traumatisme crânien. Or, beaucoup, vous allez voir euh, en région, peut-être c'est 5 ou 10% des usagers de la route qui portent le casque. Donc il va falloir travailler là-dessus et faire respecter la loi sur toute l'étendue du territoire. Et souvent ils sont à 2 ou à 3 À 4. Voilà. Souvent à 4 au vu et au su de tout le monde. On ne peut pas continuer à faire, à sacrifier toute une génération de la circulation routière. Le docteur il le disait, euh, l'accident, on peut le prévenir. L'accident de la route n'est pas une fatalité. Les gens sont fatalistes euh, chez nous et il faut sensibiliser les gens. C'est Dieu qui Il, non, Dieu n'a jamais dit d'être con. Excusez-moi, Dieu n'a jamais dit de ne pas porter le casque. Dieu fait des lois et demande à ceux que ces lois soient respectées. C'est aussi simple que ça. Donc, il faut que nous continuions à sensibiliser les gens. D'ailleurs, chez nous, récemment, la justice s'est autosaisie en disant il n'est plus question que dans un accident, vous tuez l'enfant de quelqu'un et parce que vous avez un permis, vous, vous, allez être dispensé. Et là, vous parlez d'une loi qui criminalise donc le fait de tuer quelqu'un dans un accident. Tout à fait. Parce que par le passé, les gens s'arrangent entre eux quand il y a mort d'homme pour éviter euh, qu'ils partent en justice. Maintenant, c'est la justice même qui a pris les dispositions et a instruit euh, les différents services de constat. Dès qu'il y a mort d'homme, vous êtes détenu, vous, vous, présentez devant le procureur et si vous devez vous retrouver en prison, vous allez quoi. Et ça est en train d'amener, en tout cas, les gens à changer de comportement. La ville de Zender est réputée être une entité où l'on enregistre le cas le plus élevé de nombre d'accidents de circulation. En l'espace de trois mois, 96 cas d'accidents déclarés ont été enregistrés par le service constat de la direction régionale de la police, dont 5 cas de décès, 31 cas de blessés graves, 32 cas de blessés légers et quelques dégâts matériels. 87 véhicules et 69 motos impliqués généralement dans le cas d'accident de circulation. Selon le service constat de la police nationale, 55 cas des accidents sont dus à l'excès de vitesse, soit un accident par jour. Là aussi, l'excès de vitesse, le non-respect du code de la route et autres, panneaux de signalisation sont les principales causes d'accidents de circulation dans la ville de Zender. Mais depuis l'opération de déguerpissement du kiosque et hangar, la circulation est devenue fluide de ce qui permet la diminution du cas d'accident à Zender selon quelques citoyens rencontrés par notre correspondant Ali Keita. Cela est lié à notre propre comportement, euh, comportement quotidien, parce que presque n'importe qui est tout le temps pressé. Et or qu'il y a des panneaux, en tout cas une réglementation en vigueur, il y a en tout cas des agents de la circulation qui sont là pour assurer ce travail. Et ils le font d'une manière parfaite. Sauf que nous, à notre niveau, en tant que citoyens, nous ne facilitons pas la tâche à ces agents-là, qui sont des personnes humaines comme nous. Ils passent tout leur temps à mettre l'ordre par rapport à la situation de nos petits-enfants qui vont à l'école, par rapport à ceux qui vont au marché, par rapport à, cela. Donc c'est un problème de comportement. Il faut qu'à tous les niveaux, que nous changions notre comportement pour que la situation soit plus, en tout cas, euh, viable. Ah, c'est le manque de respect des lois et règlements. Chacun prend son agent ou sa voiture, il circule comme il veut vous allez voir un petit enfant de mineur qu'on lui donne une voiture ou bien une moto pour circuler en ville. Ça, vraiment, c'est une irresponsabilité des parents. Donc, c'est des choses que nous, la société, nous devrons corriger. On parle aussi d'imprudence. Oui, les conducteurs sont tellement imprudents parce qu'ils savent que si ils tuent une personne aujourd'hui, demain, elle sera libre. Donc, euh, il y a les, problèmes vraiment des, juridiques également qui, entrent dedans. Donc, il faut que la direction prenne des sanctions par rapport aux actes des, uns et des autres. Et on constate c'est d'un temps que ce problème a un peu diminué dans la vie des Indiens Oui, du fait que cette fameuse loi, si, le gouvernement continue à prendre une décision sanitaire du genre, ça peut complètement changer. Je dirais que c'est un manque d'organisation, c'est un manque à gagner même pour les communes, parce que si ces taxis-motos-là qui constituent le grand nombre de ceux qui circulent, était donc organisé, était donc euh, structuré, il y aura moins euh, d'accidents et ça va être <coughs> un des retombées pour la ville. Mais malheureusement, ce qu'on constate, ils sont laissés à eux-mêmes. C'est peut-être à l'approche des salaires ou si on a besoin de, de, de, de faire le, comment dirais le si, si on peut l'appeler ainsi. On commence à faire des rafles et vraiment, c'est pas bon, c'est une chose que nous déplorons. Propos recueillis par notre correspondant Ali Keita Zender, l'ONG Fondei Mobori, représenté par son président Ali Omar, est avec nous dans ce studio, je vous le rappelle. Président, nous rebondissons sur euh, ces causes d'accidents et est-ce que ici à Niamey aussi, euh, cette loi parlant de déguerpissement, cette opération pardon des déguerpissements qui s'est tenue il n'y a pas longtemps et qui continue est quand même euh, une bonne chose, en tout cas dans le cadre de la réduction des accidents. Écoutez, vous savez, nous sommes membres du Comité national de sécurité routière. Je me rappelle une année avec euh, le commandant des sapeurs-pompiers. Nous étions tous pour que l'État donne l'autorisation pour que des panneaux publicitaires soient dégagés. Parce que ces panneaux entravent la bonne circulation et créent des désagréments, créent beaucoup d'accidents de la circulation. Parce que lorsque ça vous empêche de voir un véhicule qui vient dans un autre sens, ça amène des collisions et beaucoup d'accidents sont dus à ces panneaux mal implantés. Donc pour nous, c'est une décision salutaire que le gouvernement a pris et c'est un devoir constitutionnel de respecter la personne humaine et de la protéger. Ça, c'est dans la Constitution. Donc tout ce qui peut amener à protéger les usagers de la route, l'État doit prendre des mesures. À Zander, parce que vous étiez à Zander tout à l'heure, vous savez, il y a un phénomène très dangereux à Zander où vous allez voir des jeunes, 50 motos. Ils décident euh, de voir le destin de qui est encore euh, devant. C'est-à-dire, on, se décide qui a une longue 50, qui a une longue vie, on prend nos motos à 80 km à l'heure, on décide de traverser un carrefour. Sachant bien qu'il y, a des, il y a des panneaux de, stop, mais ils ne vont pas stopper. Et tu vois, c'est de la folie. Il faut vraiment que nous soyons aux côtés de ces jeunes frères de les sensibiliser pour arrêter, arrêter cela. On assiste aussi souvent à, l'installation des, des commerçants en bordure de route en complicité avec l'autorité municipale, nous, nous l'avons toujours décrit. Lorsqu'on conçoit une route, l'une des priorités, c'est de penser à la sécurité des piétons, des usagers vulnérables. Donc souvent, la route, elle est bien conçue, mais le passage qui est destiné aux piétons, est occupé par des marchands, ce qui amène beaucoup de désagréments, ce qui amène la cohabitation entre les véhicules et les piétons. Donc avec ce déguerpissement, euh, ces espaces sont euh, redevenus euh, d'office droit des, des, des, piétons, ce qui est une très bonne chose. Maintenant, il va falloir que cela puisse continuer, ça ne sert à rien de déguerpir et puis permettre aux gens de revenir, en tout cas occuper les trottoirs. Alors, Président, nous avons aussi écouté au euh, début de cette émission euh, le directeur euh, de l'auto-école Calais Amirou. avec vous, on va rebondir sur cette question pour parler du système des auto-écoles ici au Niger. Il a affirmé qu'il y avait près de 98% des personnes qui fréquentent les auto-écoles. Le rôle et pourquoi, malgré cette fréquence de fréquentation, il y a quand même des accidents. Écoutez, une chose est d'avoir le permis de conduire, mais une autre est de maîtriser le code de la route et de le respecter. Malheureusement, beaucoup qui sont sur les motos n'ont pas de permis de conduire. Or, ils peuvent se retrouver facilement en prison pour défaut de permis de conduire. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que les gens incriminent beaucoup les auto-écoles en disant que c'est eux qui ne font pas bien leur travail. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les auto-écoles ne délivrent pas de permis. C'est-à-dire que c'est comme une école. L'école ne délivre pas de diplôme. À la fin des études, vous passez à un examen et c'est l'autorité euh, compétente qui délivre. Donc c'est le ministère en charge des transports qui délivre le permis de conduire. Malheureusement, euh, en ce qui nous concerne, depuis novembre 2010, lorsque nous avons procédé à l'actualisation du code de la route, vous savez que le code date de 1968. Donc ce n'est plus les mêmes routes, ce n'est plus le même parc automobile. Donc il va falloir revoir le code. Parce que dans l'ancien code, même les sanctions, c'est à d'ordre de 500 000 francs, ça ne valait rien. Donc il a fallu revoir les choses pour rehausser les amendes. Donc les auto-écoles jouent pleinement leur rôle. Mais euh, une fois que les gens ont leur permis, ben, ils se délivrent à une vraie délinquance. Et comment vous voyez le réseau routier Le réseau routier au Niger, ben, c'est un réseau qui est nouveau au Niger. Nous avons combien de kilomètres de routes bitumées C'est maintenant que nous avons de plus en plus de routes. Mais ces routes, souvent, mal conçues, mal conçues parce que je vous donne juste un exemple de, de cette grande route qui passe devant le cimetière Yantala. C'est une route qui fait 12 mètres de largeur. Malheureusement, il n'y a aucun dispositif pour les passages piétons. Il y a des écoles autour de cette route mais personne ne s'arrête pour laisser les élèves traverser. Donc, vous voyez, cette route, dans sa conception, n'a pas pris en compte la sécurité, la sécurité des usagers vulnérables. Donc, une chose est de construire des routes, mais une autre est d'assurer la sécurité de, ceux qui l'utilisent. Nous allons donc en direction de Maradi pour euh, retrouver notre correspondant Mohamed Maman. Aujourd'hui, circuler à Maradi, c'est vraiment un parcours de combattant. Cela est dû par une euh, conduite, euh, disons, anarchique, par le fait que les usagers, la plupart n'ont pas de permis de conduire. vous savez, qui dit conduite dira permis de conduire. Le problème, moi, je ne sais pas, c'est l'ignorance ou bien un refus catégorique. Parce que le permis de conduire, c'est un diplôme. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous réveiller un bon matin et vous déclarez infirmier ou médecin et piquez qui vous voulez. Donc, de cette même manière, vous ne devez pas vous lever et prendre une moto ou un véhicule pour conduire sans permis. Sinon, vous êtes en infraction. Et le code pénal vraiment sanctionne le défaut de permis de conduire. Au-delà, je vais parler peut-être de l'assurance. Vous savez, l'assurance, euh, c'est une garantie pour euh, l'usager lui-même. Ensuite, euh, pour celui qui éventuellement sera pris au piège. Je dirais peut-être une éventuelle victime d'accident. Prenons une, une, situation, un individu quelconque qui est victime d'accident de la circulation. Supposons que le mis en cause, le motocycliste ou le chauffeur du véhicule, n'est pas assuré. Alors, celui qui a causé l'accident, le chauffeur ou le motocycliste, ne serait pas à la hauteur de dédommager la victime. Par exemple, si on condamne euh, à, par exemple, 2 millions ou 3 millions, ou même 700 000 ou 500 000, ce n'est pas tout détenteur de moto ou de véhicule qui a une liquidité de 3 ou 4 millions pour dédommager celui qui sera éventuellement victime. Euh, c'est dire que ici à Maradi, vous verbalisez beaucoup de gens qui sont en défaut de détention de permis et d'assurance ici à Maradi Vous savez, même euh, l'amende, c'est euh, vraiment des difficultés à Maradi. C'est toujours la même chanson, Ayala, Ayala. Vous allez voir, vous allez interpeller 10 personnes, que ces 10-là, je ne pense pas si vous serez en mesure d'amender peut-être 4 chacun va venir. Qui sont en ils sont en défaut, véritablement en défaut. Mais ils vont venir pleurnicher, ils n'ont rien, ils vont appeler partout pourquoi qu'on les laisse partir. Malheureusement, dans la même erreur. Et ce qui est marrant, vous allez voir quelqu'un qui est en défaut d'assurance. Il fait des interventions partout et, même euh, auprès de qui il a fait l'intervention, le gars va vous dire, bon, euh, écoutez, il n'a rien, il faut le laisser partir propos recueillis par Mohamed Maman, notre correspondant à Maradi. Alors, euh, à Marou, nous avons fait un peu le tour de ces questions des, causes d'accidents et chaque fois le code, euh, le non-respect. Quelles sont les solutions Qu'est-ce que vous préconiserez pour réduire euh, cette fréquence d'accidents Écoutez, je pense que euh, quand on connaît les causes, il faut juste inverser les rôles. C'est-à-dire que respecter le code de la route, réduire et ou respecter la vitesse en milieu urbain. Vous savez que le code limite à 50 km à l'heure la vitesse. Si tous les agents de la route au Niger décident de rouler en ville à 50 km à l'heure, je parie que vous allez euh, avoir du mal à avoir des accidents de la Mais tout ça, comment le faire Parce que nous avons tout à l'heure, euh, le directeur de cette auto-école Calais Amirou parlait d'une sensibilisation par, à travers les chaînes de télé. Comment, comment s'organiser pour parvenir à tout ça Les chaînes de télévision vont beau sensibiliser tant qu'il n'y a pas de mesures correctives à côté on ne peut pas renverser la tendance. Lorsque le président Chirac est arrivé à son deuxième mandat en France, il a pris comme engagement de renverser la tendance en matière de l'insécurité routière. Parce que ils ont juste eu la solution de verbaliser, mais conséquemment les gens. Lorsque vous ne portez pas votre casque et qu'on vous demande de payer 10 000, et si vous le faites deux fois dans le mois, vous allez constater que dans le salaire, c'est une grande partie qui est partie. Mais souvent, plus, souvent il y a une certaine négociation entre Maintenant, les, les ça, il faut l'éviter. C'est-à-dire qu'il faut l'éviter en laissant la police ou les forces de l'air d'une manière générale de faire conséquemment leur travail sans intervention. Et c'est bien possible. Et ça, ça ne sera possible que lorsqu'il y a une volonté politique manifeste. Lorsque le fils de X ou de Y est impliqué dans un accident, qu'on permet à ce que la police puisse le châtier conséquemment. Ça, c'est des mesures que le politique peut prendre. Maintenant, nous, en tant qu'acteurs, sur les sensibiliser. Le, CSC doit demander, par exemple, aux organes de presse, dans leur euh, programme hebdomadaire, d'insérer ces questions de, de sécurité routière. Si on fait ce tapage-là, les gens qu'on le veut ou pas, ils vont changer. Parce que il faut aussi montrer l'autre côté, et les conséquences aux gens. Lorsque un père de famille meurt dans un accident de la route, c'est toute la famille qui sombre dans la pauvreté. Et les statistiques ont démontré que le coût économique des accidents dépasse largement l'aide publique au développement. Cela doit toucher les, autorités compétentes à se dire nous sommes en train de perdre les bras valides dans les accidents, nous sommes en train de sombrer des familles dans la pauvreté, c'est là inacceptable. Surtout que avec le respect du code de la route, avec le changement de comportement, parce que, ma chère, eh, le comportement des Nigériens, c'est tout autre. Il suffit de, de, de rentrer dans la circulation pour te rendre compte de l'abus des priorités priorité qui va vous amener au cimetière ou pendant des années sur un lit d'hôpital, je ne pense pas que ce soit une priorité. Souvent, on assiste à des, des bagarres, même en pleine circulation, des gens qui sortent de leur véhicule. Regardez, pendant la saison des pluies, vous allez, vous prenez une route où de ce côté il y a de l'eau, C'est lui qui a la priorité, qui ne doit pas rentrer dans l'eau, vous allez voir l'autre qui vient du sens opposé, prendre la même direction, les deux, ils s'arrêtent. Souvent, ils sortent même de leur véhicule. Souvent, ils éteignent leur véhicule. Chacun pense qu'il a le temps. C'est jamais vu ce à quoi on assiste dans ce pays. Donc, tant qu'il n'y a pas de sanctions, la sensibilisation ne peut pas avoir de, de, fruits. Alors vous parlez de, sanctionner, et sanctionner les usagers et les conducteurs, mais aussi l'autre côté et euh, l'autre revers de la médaille, c'est que souvent les, les, forces de l'ordre, on a assisté plusieurs plusieurs fois à cela, des citoyens ont témoigné ils exigent souvent juste des biais, quelques biais pour laisser passer la faute. Vous savez, on peut arrêter ça. De la même façon que euh, la Halcia a été mise en place, les agents de la Halcia peuvent être recommandés à se retrouver dans la circulation, dans des taxis, sur des motos, à tenter la police. Tu imagines que lorsqu'on va arrêter un, deux policiers victimes de corruption, ben, c'est fini, les autres prendront leçon. Donc c'est une question de volonté politique et ça peut se, traduire dans des actes concrets qui vont permettre, en tout cas, de mettre de l'ordre dans ce secteur. Nous sommes donc à la fin de cette émission. Nous étions avec le président Aliou Omarou, le président de l'ONG Fondembori. Aliou Omarou, rapidement, en quelques secondes, votre conclusion pour la fin de cette émission. moi, je voudrais juste saluer l'engagement euh, de votre chaîne pour réduire les accidents de la circulation eh, au Niger et demande aussi à vos confrères de faire la même chose parce que nous sommes en train de voir des familles sombrer dans la pauvreté. Or, tout accident est prévisible, donc il est possible de les prévenir. Merci infiniment d'être resté à l'écoute de cette euh, émission. Je vous dis au revoir. On se retrouve demain à la même heure.